L'eau est source de vie et de paix, mais il est aussi source de querelles et de guerres, raison pour laquelle dans ce 9e Forum mondial de l'eau qui se passe ici à Djamnyadjo, dans ce centre international Abdou Diouf, il est intitulé La sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Comme dans tous les grands événements, Canal Ballet est encore là pour vous donner l'information qu'il faut au cœur de cet grand événement qui est la 19e édition du Forum mondial de l'eau. Tout de suite, nous allons vous faire part des différents panélistes et des différents standings qui sont dans ce euh, grand centre international Abdou Et euh, dans un instant, nous allons vous montrer ce qui s'y passe ici à Djamnyadjo. une grande première, hein, parce que vous, vous, vous trouverez nulle part dans ce forum-là un espace dédié aux collectivités territoriales. C'est de l'audace, mais quand même, je pense que ça, ça valait la peine de venir rencontrer ces partenaires-là et mieux aussi vendre la destination de nos communes. Euh, communes respectives c'était ça l'objet visé dans ce ce forum là. Ce parce comme poubelle décharge. seen lépp fa la jëm eaux usées yi fa la jëm te dañ ko war a traité balaa mu fay dem euh, plastique lépp da nga gis bateau boo xam ne bu paree li muy def bu raxas li muy def bàyyi ko ci géej te loolu lépp day am impact bu bon a bon a bon ci euh, euh, ressource bi na ci biir géej gi nga xam ne daf ñuy dundal rappeler que le contexte du Forum mondial de l'eau, parce qu'on parle d'eau, mais qui parle d'eau parle forcément d'assainissement, parce qu'on a l'habitude de dire que l'eau c'est la vie, mais l'assainissement c'est la dignité. Donc il part à travers ces différentes thématiques, gère euh, un projet sur l'eau et l'assainissement qui est accompagné par la Fondation Bill et Melinda Donc le projet intervient dans cinq euh, pays africains, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Je pense que le Salon international de l'eau, euh, c'est un salon universel euh, où les solutions proposées font dans le sens du développement et l'atteinte des EMD, les objectifs pour le développement durable. Euh, nous avons tenu à être présents à ce salon parce que c'est un salon spécial pour nous. Ce salon se passe en Afrique pour une première fois et, à Dakar, qui est aussi notre capitale en tant que Maliens. Donc nous sommes là pour magnifier euh, cette confiance, cette confiance que les autorités mondiales ont eu à confier à l'Afrique et surtout au Sénégal. à l'ol, ci participation Contana euh, Loll, qui travaille chez gay Senegal, gire euh, organise forum bi m'a mis sous et brouettes, qui qui qui a Israël, euh, dîn a dem, qui kanam, à Senegal, qui viennent on dort, qui viennent on bail. On a Wall of Niai Nena, n'était garé bam, n'est-ce pas? Wall of Niai Nena, כהלפות רוויה, יאללה יאללה בייסטול. הלא ישראל דינאדם אקסנגל, צ'י אה, דיבלופמו, צ'י דלופמו, אה, בגנה דם צ'י דיבלופמו, דוח אק איתם דיבלופמו, ביי אק אנרג'י רנובלם. Baunan ak Forum mondial de l'eau 2022 du lu dul bunt bi nga xam ne nii mooy ubbeeku ñu ubbi ko ngir jëm ci li nga xam ne nii mooy fexe ba dundinu doomu aadama li nga xam ne nii ñoom la ñuy dundandool ñun suñu dëkk yi daal di doon dund bu sell ndax ndox mooy sellal dund ci naan ak ci set ak lépp loo koy mën a jëfandikool comme ndox ci loolu lay contribuer te ñun dañoo bëgg a fexe ba dunduñu doomu aadama yi daal di gën a sell gën a baax gën a ñoŋ yeneen secteurs yi nga xam ne nii yëpp mën nañ cee ubbeeku partenariat jëm ci yeneen dëkk yi jëm ci yeneen kuréel yi jëm ci bitim réew jëm ci état ak projet ak programme ndox ak forum mondial de l'eau 2022 buntu la rek bu ñuy ubbil ñu aw ci yeneen partenariat yi ngir woote bu ñuy woote jëmale suñu dëkk yi fait un panel à deux niveaux. Le premier sur l'assainissement durable améliorer l'accès et accélérer l'accès des populations à des services d'assainissement. Et le, le, diagnostic que nous avons posé, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population n'est pas raccordée au réseau d'assainissement. Et pour ce faire, nous avons apporter des pistes de solutions en termes de réponses, puisque nous sommes à un forum des réponses qui ont consisté déjà en première réponse à avoir de la planification et en deuxième réponse à pouvoir réaliser euh, sur la base de partenariats avec des bailleurs de fonds, euh, mobiliser des financements ou accélérer l'équipement euh, de nos villes et villages en système d'assainissement durable. xoolee ñu toog ci table bi fii ku si nekk ñun yaa ngi judd si au bord du fleuve Sénégal comme édition forum bi fleuve Sénégal dañ ko ko jagleel dañu dem ba Mbumba euh, rencontrer ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dëkk au di du fleuve Sénégal muy ñii napp ñii di sàmm ñii def yeneen liggéey ñii di bay laaj leen lan mooy seeni itti ak loo xam ne li loolu buñ leen ci jàppalee ñoom dina am lu mu yokk seen seen dund ñu yendandoo ak ñoom lu nekk dégg nañ ko nag parce nit ki moo gën a xam lan la gën a soxla ci àddunaam am département environnement balaa ñuy mettre en place ben ouvrage ñun ñooy ñëw xool lan la mëna yak ci environnement bi wala lan la mën indi ci environnement bi dañuy jël toutes les dispositions nécessaires mettre ko en place avant ñom ñuy ñëw di def travaux ba suñu def travaux yi sax ñun tamit dañ leen di gunge di leen proposer tout le temps lo xamné day tax du yak wala su dee yak sax dina wàññi yak bobu bu baax baax

donc xale yi jigéen ñi euh, mun nañ participer si coulage bi waa kër ga dañuy participer si coulage bi loolu la ñu tuddee approche communautaire bi